Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangou. Le thème d'aujourd'hui porte sur le cancer chez les enfants, comment se fait la prise en charge. Considéré comme l'une des principales causes de décès chez les enfants, en particulier dans les pays à revenus croissants, le cancer pédiatrique est aussi un problème de santé majeur auquel font face les pays en voie de développement. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, sur un million d'enfants de moins de 15 ans, l'indice moyen de survenue d'un cancer est de 100 à 130 nouveaux cas par an. C'est dans ce cadre que nous avons initié ce forum pour mieux comprendre comment se fait la prise en charge du cancer au Niger chez les enfants, mais aussi cerner les avancées enregistrées ainsi que les difficultés et les mesures préventives qui existent pour échanger autour euh, du sujet. Nous recevons dans ce studio Nadia Zuladeni, coordinatrice Cancer Action, docteur Aïchatou Mahamadou, pédiatre au Centre national de lutte contre euh, le cancer, et Maman Bachir, membre du syndicat unique de la santé et de l'action sociale. Je suis Fatih Zakari à la présentation du forum. Avant donc d'entrer dans le vif euh, du sujet, euh, chers invités, veuillez nous présenter vos structures respectives. Je commence avec vous, euh, docteur Chatou Mahamadoua. Vous êtes en pédiatre au Centre national de lutte contre le cancer. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez ce soir de parler du Centre national de lutte contre le cancer. <laughs> Le Centre national de lutte contre le cancer, c'est c'est le seul centre au Niger destiné à prendre en charge tout type de cancer, adulte comme enfant. Il est composé de trois grandes sections. Mhm. La section de radiothérapie, la section de chimiothérapie qui comporte l'unité adulte et l'unité pédiatrique. Mhm. Et la section de, radiologie, donc tout imagerie confondue. Mhm. Voilà, merci. Hein. Nadia Zuladeni, Veuillez nous présenter brièvement votre structure. Bonsoir et merci de nous avoir invités ici. Mhm. Donc, euh, l'ONG Cancer Action est mhm. une organisation nouvellement créée, mhm. donc qui lutte et qui contribue à la réduction de la morbidité et de la mortalité due au cancer ici au Niger. Maman Bachir, membre du Merci, madame. Donc, euh, le CISAS. Euh, c'est le syndicat unique de la santé et de mhm. l'action sociale. Mhm. Donc, euh, ce n'est pas un syndicat qui est méconnu, mhm. <laughs> c'est un syndicat connu tous au Niger. En tout cas, on peut le dire, c'est le géant des syndicats du secteur de la santé. Je suis Docteur Aïchetou Mahamadou, qu'est-ce que le cancer pédiatrique Qu'est-ce que le cancer en général eh. Parce que le mhm. cancer, c'est cancer que se soit chez l'adulte ou chez, l'enfant. Mhm. Donc, euh, si on peut partir de la base, mhm. chaque organisme est constitué de milliards de cellules. Et dans ces cellules, il y a des gènes. Et ces, gènes sont censés donner les informations aux cellules pour se diviser, se multiplier ou mourir. Donc, quand il y a une perturbation au niveau de ces gènes, il y a un dérèglement au niveau de ces cellules. Et ces cellules vont continuer à se multiplier. Il y a plus de système de contrôle qui dit une cellule doit mourir ou une cellule ne doit pas mourir. Donc mhm. les cellules se multiplient de façon anarchique. Mhm. Quand ça se multiplie, ça peut être regroupé en, un amas qu'on appelle une masse ou tumeur, mhm. ou ça peut se disséminer dans le sang c'est ce qu'on appelle le cancer. Donc, euh, d'une façon, <laughs> d'une façon ramassée, c'est la multiplication anarchique des cellules. Et euh, quelles sont les causes et les différentes formes de cancer qu'on rencontre au Niger, notamment chez les enfants Bon, je dirais la cause exacte des cancers pédiatriques mhm. n'est pas connue dans la plupart des cancers. Les cancers où c'est 5 à 10 des cancers où on peut dire que c'est héréditaire. Mais la majorité des cancers, les causes ne sont pas connues. Mhm. C'est jusqu'à présent, c'est des suppositions où on dit c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est mhm. peut-être ça. La cause exacte n'est pas identifiée. Mhm. Mais un certain nombre de cancers, comme le rétinoblastome par exemple, qui est le cancer de l'œil de l'enfant, mhm. ça, une cause héréditaire a été notée. Ou s'il y a dans la famille quelqu'un qui a déjà eu à faire ça, euh. ça peut être présent chez un enfant. Mhm. Mais il faut dire qu'il y a des enfants qui peuvent faire le cancer, mhm. le rétinoblastome, sans que ça soit identifié dans la famille. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'il y a un rétinoblastome dans la famille que tout le monde va faire ça. Donc, c'est une cause qui a été identifiée. comme héréditaire mais aussi il des, des, qui ne sont pas héréditaires. Mhm. Donc il faut que les, les parents le sachent mhm. pour que les gens ne s'inquiètent pas. Mhm. Des différentes formes qu'on rencontre ici au Niger chez les enfants Il y a plusieurs types, mais ceux qu'on rencontre le plus, souvent, qu'on enregistre chez nous à l'unité, il y a cinq quand même qui sont très fréquents. Dont le premier, c'est ce que je viens de parler, le rétinoblastome, qui est le cancer de l'œil, le néphroblastome, qui est le cancer du rein chez les enfants. Ça peut exister aussi chez les adultes y a les lymphomes. Donc, deux types de lymphomes qu'on rencontre. Les lymphomes de Burkitt qui touchent euh, la face, où souvent l'enfant il a une tuméfaction faciale où ça touche l'abdomen, ça va donner une masse abdominale. Il y a les lymphome de Hodgkin qui généralement se manifeste par la grosseur, les ganglions qui se développent. Mhm. Chaque, chaque être humain a des ganglions. Mhm. Mais quand les ganglions deviennent pathologiques, c'est ça qu'on appelle des adénopathies. Mhm. Donc, les lymphomes de Hodgkin là, ils se manifestent pas des boules le plus souvent au niveau du cou. Donc, euh, il y a aussi si les semis qu'on rencontre euh, Bon, je dirais pas rarement. Hein. Mhm. C'est fréquent, seulement le diagnostic n'est pas posé mhm. très tôt. Et euh, quels sont les signes, par exemple, euh, du cancer de l'œil Le cancer de l'œil, communément appelé les rétinoblastomes, le premier signe, mhm. c'est ce qu'on appelle la, leucocorie. La leucocorie, c'est cette tache qui brille au niveau de l'œil. Au niveau du blanc, vous voyez, il y a deux noirs. Il y a le gros noir, pour que tout le monde comprenne, et il y a le petit, noir. Donc, au niveau du petit noir, là, vous allez voir une tache blanche, une tache qui brille ou qui est blanche. Donc généralement, si vous voulez poser ce, le diagnostic mhm. la nuit, oui. dans l'obscurité, mhm. si vous mettez la lampe sur l'œil de l'enfant, mhm. si à cette tache-là, vous voyez, ça va briller comme l'œil du chat. Parce que la nuit, l'œil du chat, ça brille. Donc c'est comme ça, cette tache-là, si ça existe dans l'œil de l'enfant, ça va briller. Donc généralement, les mamans, elles arrivent, elles disent qu'elles ont vu une tache qui brille dans l'œil de l'enfant. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, qui peut être un autre signe dans une autre pathologie qu'on appelle le strabisme. Le strabisme, c'est l'œil qui louche. Mhm. L'œil, souvent, l'enfant, il te regarde, il, te regarde, mais tu as l'impression qu'il ne te regarde pas. Donc, c'est l'œil qui louche. En on dit mhm. Donc, ça, c'est les deux grands signes qu'on peut rencontrer mhm. dans le rétinoblast. Et à quel moment de la vie se développe euh, le cancer Est-ce que l'enfant naît avec ou bien ça survient au cours de la vie le cancer, l'enfant peut naître avec le cancer mhm. et ça peut se développer au cours de la vie. Mhm. Parce que si je prends le cas des leucémies, il y a des enfants qui naissent, qui naissent malades au cours du bilan on découvre qu'ils ont une leucémie. Parce qu'il y a eu des mutations qui se sont passées depuis la Constitution. Et docteur Aïchatou Mahamadou, vous êtes copédiatre au Centre national de lutte contre le cancer. Comment détecter donc un cancer chez l'enfant Un cancer chez l'enfant se détecte de plusieurs façons. Ça mhm. dépend de la localisation. Si c'est au niveau de l'œil, c'est au mhm. niveau de l'œil, c'est l'œil qu'il faut examiner. Mhm. Au niveau de l'œil, ça c'est l'ophtalmo d'abord. Mhm. Si la maman, elle arrive, elle dit que l'enfant, il a une tache au niveau du l'œil, mhm. on, peut, on peut voir ce, qu'elle, qu'elle dit. Mhm. Nous, on peut le voir comme ça à l'œil nu. Mais pour confirmation, on l'envoie chez les ophtalmologistes qui vont faire leur examen au fond d'œil et qui vont faire souvent une échographie quand ce n'est pas avancé. Voilà. Maintenant, pour le cas d'une frobe par exemple, mhm. c'est une masse. La maman peut palper une masse ou bien la maman amène l'enfant pour une autre raison qui n'est pas cette masse. Mhm. Mais au cours de l'examen clinique, on découvre qu'il y a une masse au niveau de l'abdomen. Donc, cette masse, si elle est située au niveau du rein mhm. ou elle n'est pas située au niveau du rein, toute masse dans le ventre doit être examinée. Donc, l'examen, là, c'est l'échographie. Après avoir fait l'examen clinique, on fait une échographie. Maintenant, c'est l'échographie qui va nous dire c'est en relation avec le rein, c'est en relation avec le foie, en relation avec n'importe quel organe, ça va nous préciser. Et euh, comment se présente la situation épidémiologique euh, donc, euh, du cancer pédiatrique à l'heure actuelle En situation épidémiologique, c'est trop dur parce que les informations ne sont pas centralisées. Mhm. Mais ce que je peux dire par rapport au cas que nous enregistrons chez nous, sur euh, une période d'à peu près trois ans depuis que l'unité est au niveau du centre, mhm. nous sommes aujourd'hui à 160 cas, nouveaux cas. Mhm. Et donc 160 cas sur à peu près 3 ans, mhm. si on compare à l'enregistrement qui se faisait de 92 à 2018. Mhm. vraiment, c'est inquiétant parce que de 92 à 2018, mhm. nous avons enregistré 775, je crois, cas de cancer pédiatrique. Donc, c'est une période de plus de 24-25 ans. Mais si aujourd'hui, sur euh, trois ans, mhm. nous sommes à 160 cas, mhm. je pense que c'est parce que depuis, il n'y avait pas ce suivi c'est un registre peut-être, je dirais, qui hein. n'était pas fonctionnel pour qu'on puisse réellement faire, le registrement de façon mhm. qu'on doit le faire. Maman Bachir, on dit que le cancer pédiatrique existe beaucoup plus dans les pays développés. Aujourd'hui, on constate l'existence de ces maladies dans les pays sous-développés comme le Niger. Selon vous, à quoi est dû cela D'abord, je vais parler des moyens de détection. Mhm. Parce que les pays développés, pourquoi ils sont développés mhm parce que eux, ils ont les moyens. Donc très tôt, ils peuvent arriver à diagnostiquer les maladies que nous, on n'a pas les moyens de détecter ça. Donc c'est cette capacité de détecter les maladies qu'on dit, et là-bas, on rencontre beaucoup plus de cas mhm. et comparé à ici chez nous. Mhm. Donc moi, je pense que même ici chez nous, c'est les moyens de diagnostic maintenant qui sont en train d'être mis en place. Mhm. Donc, ce qui permet de diagnostiquer certaines pathologies. C'est ce qui fait que aujourd'hui, ces, mêmes pathologies qu'on rencontre dans les pays développés, on les rencontre fréquemment ici chez nous. Mhm. Donc, moi, je pense que c'est dû à l'évolution de la technologie, donc de la capacité de nos centres de santé à diagnostiquer ces pathologies-là. Nadia Azuladeni, vous êtes euh, coordinatrice euh, Cancer Action. Quelles sont les actions menées donc par votre structure face donc au cancer en général euh, et celui pédiatrique en particulier Donc, je dirais que nous avons eu à mener plusieurs actions mhm. donc dans le cadre du cancer surtout féminin, mhm. dans la lutte contre le cancer féminin, mhm. donc qui touche particulièrement les organes comme le sein et, et le col de l'utérus. Mhm. Donc nous faisons des dépistages qui sont gratuits et également nous accompagnons les malades atteints du cancer et par la prise en charge et également les assister psychologiquement parce mhm. que le cancer c'est une maladie qui fait beaucoup de ravages mhm. et ça touche le côté psychologique que ça soit euh, chez la femme et chez l'enfant et surtout le côté financier. Voilà. Avez-vous enregistré des résultats encourageants On enregistre des c'est plusieurs cas, on arrive à détecter plusieurs cas. Mhm. Parce que la dernière campagne qu'on a eu à faire, sur 700 personnes dépistées, on a eu au moins la moitié qui sont atteintes des infections et aussi 7 à 8 personnes mhm. atteintes du cancer. Mhm. Donc je me dis que le cancer, c'est une maladie, mhm. c'est un problème de santé publique en général. Mhm. Donc les femmes doivent se faire dépister, les hommes doivent accompagner leurs femmes et également doivent amener les enfants à temps. Mhm. Au niveau du, que ce soit au niveau du Centre national de lutte contre le cancer ou bien chez un médecin. Maman Bachir, vous êtes membre du SUSAS. Quelles sont les actions que mène SUSAS dans ce sens euh, Le SUSAS est, comme toute structure syndicale, mm-hmm. toujours là en train de lutter mm-hmm. et pour les intérêts matériaux et moraux de ses militants. Mm-hmm. Mais la finalité, c'est quoi C'est assurer une bonne qualité de soins aussi aux patients qui consultent les centres de santé. Mhm. Donc le SUSAS est toujours là derrière ces militants, à encourager les militants pour qu'il y ait cette qualité de soins au niveau des centres de mhm. santé. Donc de cette manière, donc je pense que le SUSAS est en train de lutter aussi pour les patients qui consultent au niveau des centres de mhm. santé. Docteur Aïchetou Mahamadou, est-ce que vous avez enregistré des résultats encourageants dans le cadre donc, euh, de la lutte contre le cancer Résultats encourageants, ah je ne dirais pas trop. Mhm. Parce que malheureusement, les malades, quand ils arrivent, ils arrivent à un stade tardif, dû au fait que même au niveau des agents de santé, mhm. il y en a qui ignorent l'existence du cancer chez l'enfant. Les enfants, ils arrivent sous, le plus souvent, le premier diagnostic qu'on pense, c'est le mhm. palu c'est le palu, c'est la drépanocytose. Mhm. Donc, euh, je pense qu'on doit aller au-delà de ça. Mhm. Quand un enfant il vient fréquemment mhm. pour la même symptomatologie, il faut aller au-delà du palu, il faut aller au-delà de la drépanocytose. Parce que souvent, il arrive qu'on colle euh, la drépanocytose chez un enfant parce qu'il a certains signes qui évoquent la drépanocytose, alors que ça peut être une leucémie, par exemple. Donc, euh, je pense que pour qu'on puisse améliorer la survie mhm. de façon globale, mhm. c'est déposer poser les diagnostic très tôt. Mhm. C'est déposer poser les diagnostic très tôt et que les agents qui reçoivent les enfants, quand l'enfant revient à plusieurs reprises, il faut pouvoir l'envoyer très tôt pour faire des investigations plus poussées. Et à part ça, est-ce qu'il y a d'autres difficultés auxquelles euh, vous êtes confrontés Beaucoup de difficultés beaucoup de difficultés parce que les peu de cas qui arrivent, même quand ils arrivent chez nous, surtout mhm. si l'enfant il au-delà de 5 ans, mhm. la prise en charge n'est pas gratuite. Et on connaît aujourd'hui les familles mhm. nigériennes. Même quand tu es un fonctionnaire, tu as des difficultés si tu dois faire face à un enfant qui a le cancer. Et donc, ce euh, c'est pas tout le monde qui est fonctionnaire. C'est pas tout le monde qui a un salaire à la fin du mois. Et quand tu arrives, tu amènes ton enfant, on dit ton enfant, il a tel type de cancer la prise en charge, quel que soit le type de cancer, mhm. c'est très coûteux. Sur le plan social, financier, c'est très difficile. Nadia, vous pouvez ajouter euh, Comme docteur Aïcha l'avait mentionné, mhm. donc les difficultés, ça n'en manque pas. Mhm. On rencontre plusieurs difficultés, donc que ça soit au niveau financier, donc on observe la non-implication des bailleurs de fonds mhm. dans la lutte contre le cancer parce qu'on se dit que c'est une maladie, ça ne me touche pas, ça ne me concerne pas, mhm. donc je ne vais pas chercher à aider, je ne vais pas m'impliquer davantage dedans. Mhm. Et aussi, il y a la négligence. La plupart des femmes arrivent à un stade tardif, comme docteur Aïcha l'avait mentionné. Et aussi, on se dit que quand l'enfant est malade, si c'est pas vraiment une maladie, tu le vois alité complètement au lit, donc il peut, il, peut rien faire, mhm. donc tu vas pas l'amener dans un centre de mhm. santé. Tu te dis peut-être que c'est des caprices ou bien quoi que ce soit. Mhm. Donc et également la non-implication, je vais dire, de certains agents de santé. Donc ils ne collaborent pas totalement pour pouvoir faire le diagnostic ou bien pour pouvoir aider certains malades. Oui. La deuxième partie euh, du forum porte sur la prise en charge du cancer pédiatrique. Les autorités en charge de la santé ont créé un centre national de lutte contre le cancer depuis 2011 et décident de prendre en charge gratuitement euh, toutes les formes de cancer au Niger, notamment euh, chez les enfants. Docteur Aïchatou, vous êtes oncopédiatre au Centre national de lutte contre le cancer. Pourquoi une telle initiative des je pense que dans tous les domaines, même pas dans le domaine du cancer, mhm. c'est le devoir et le rôle des autorités mhm. de s'occuper de la population de s'occuper surtout de la santé, mhm. parce Une population qui se développe, c'est quand tout le monde va bien. quand ça ne va pas, <laughs> ça ne va pas. Donc, euh, je pense que c'est leur devoir. À l'heure actuelle, euh, le centre enregistre combien d'enfants malades Nous avons actuellement 161 nouveaux cas. Pas pour cette année, depuis que l'unité a commencé au niveau du centre. Mhm. Et comment se fait la gratuité au niveau du centre La gratuité des soins concerne les enfants de 0 à 5 ans. Donc ça, ça concerne depuis le diagnostic mhm. jusqu'au traitement. Mhm. Tout ce qui est disponible au niveau du centre, il est gratuit chez l'enfant. Maintenant, pour les différents examens que les enfants, pour le moment, le centre n'a pas encore commencé tous les examens. Mhm. Nous sommes en collaboration avec l'hôpital national de Niamey. Mhm. Quand on a besoin des bilans, il y a une prise en charge qu'on donne à mhm. l'enfant. Et il fait tous les examens au niveau de, l'hôpital national de Niamey. Voilà. Donc ça, ça concerne les enfants des 0 à 5 ans, filles ou garçons. Maintenant, les enfants qui ont plus de 5 ans, c'est là où on rencontre beaucoup de problèmes. C'est là où on rencontre beaucoup d'abandon. Parce que les parents doivent faire face. Bien sûr. Pas le traitement, le bilan seulement. Parce que si aujourd'hui on prend l'exemple d'un scanner, mhm qui doit se faire. Même si c'est 50 000 francs, c'est difficile. Donc, euh, les parents qui n'ont pas les moyens de pouvoir le faire, mhm. c'est eux qui abandonnent. Souvent, on les appelle, on les appelle, ils disent qu'ils sont à la recherche de l'argent parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir le faire. Mhm. Et les enfants de plus de 5 ans qui sont des filles, on arrive quand même à les mettre sous la coupe des femmes qui sont mhm. prises en charge de façon gratuite. Le gros problème, c'est les enfants qui sont garçons qui ont plus de 5 ans là, la prise en charge est difficile. Que ce soit le traitement comme le bilan qu'il doit faire. Mhm. Maintenant, nous avons une ONG qui nous prend en charge mhm. les médicaments pour cinq types de cancers seulement. Mhm. Donc, s'il arrive que ton enfant, même s'il a moins de cinq ans, s'il a un cancer qui ne fait pas partie de ces cinq cancers qui sont pris en charge sur le plan chimiothérapie gratuitement, tu dois faire face à la chimiothérapie tu dois acheter les médicaments, tu dois d'abord faire le bilan, confirmer les diagnostics. Dans le cas où l'enfant il arrive, il n'a pas de, confirmation diagnostique, mhm. il fait face aux médicaments, mhm. sans compter les différents aléas. Mhm. En dehors des chimio, ce qui peut arriver socialement, il y a beaucoup de difficultés. Et alors, quelles sont les dispositions prises par votre ministère pour assurer une prise en charge intégrale et gratuite de ces enfants de 0 à 5 ans ça, c'est d'une façon générale que mm. le, ministère le fait. Ça, ça fait des années qu'on prend en charge gratuitement les enfants de 0 à 5 ans, mm-hmm. même si ce n'est pas le cancer. Mm-hmm. Voilà. Donc, euh, maintenant, notre lutte, c'est que ça, ça puisse couvrir tous les enfants, mm-hmm. que ça ne soit pas limité aux enfants de 0 à 5 ans. Nadia Zladeni vous êtes euh, coordinatrice euh, Cancer Action. Quelle appréciation faites-vous euh, de la prise en charge du cancer pédiatrique au Niger Bon, je dirais que nos médecins font de leur mieux mhm. pour veiller à la survie de, des enfants. Mhm. Et également, le gouvernement fournit de l'effort mhm. dans le cadre de la lutte contre le cancer on note également la création du Centre national de lutte contre le cancer. Mhm. Donc c'est une avancée majeure mhm. dans la lutte contre le cancer. Mhm. Maman Bachir quelle appréciation faites-vous de la prise en charge du cancer au Centre national de lutte contre le cancer Voilà. Et la prise en charge du cancer, comme l'a expliqué le docteur, donc c'est un processus qui est très long. Donc déjà, la création du centre comme l'a euh, dit mhm. Nadia, c'est une grande avancée pour le pays mhm. parce que ça réduit le coût des évacuations sanitaires mhm. liées au cancer. Donc déjà, c'est un point positif. Et aussi, on a des spécialistes aujourd'hui pour la prise en charge du cancer. Et il y a la partie aussi prise en charge gratuitement, que ce soit par l'État ou par les ONG. Tout ça, là, c'est des points positifs et dans le cadre de la prise en charge du cancer de notre mhm. pays. Mhm. Maintenant, ce qu'il y a lieu de renforcer ici, c'est surtout eh, le cri de cœur lancé par le docteur, la partie là qui n'est pas eh, prise en charge gratuitement. Mhm. Moi, je pense que le cancer, franchement, c'est une eh, pathologie qui est difficile de, dans le cadre de la prise en charge. En tout cas, le coût est extrêmement élevé. Et Franchement, donc, que ce soit l'État ou les bailleurs de fonds doivent y pencher pour penser à la prise en charge gratuite de cette tranche-là qui n'est pas eh, inclue dans la gratuité des soins. Mhm. Docteur Aïchatou, est-ce que vous disposez suffisamment de moyens pour euh, prendre en charge ces cas de cancer Disposer des, moyens, <laughs> c'est trop dire. Hein. pour prendre en charge euh, tous les types de cancers <laughs> Bien sûr, oui. Ah, disposer de moyens. Je ne dirais pas qu'on dispose. On a, on a ce qu'on a. Mm-hmm et on fait ce qu'on peut. Mhm. Mais les moyens, on est à la recherche des moyens. L'État fait de son mhm. mieux parce que les cas qu'on dit, les cas vraiment fortement sociaux là, mhm. même quand la gratuité n'est pas gratuite, quand même on arrive euh, à négocier certains médicaments au niveau même du centre parce que le centre même dispose de son approvisionnement. Donc les cas qui viennent, qui ne sont pas pris en charge à notre niveau gratuitement, souvent on arrive à jongler, si on peut appeler mhm. comme ça, pour pouvoir les prendre en charge. Mhm. Voilà. Mhm. Donc, mais les moyens, on a besoin des moyens. Il ne faut pas que les gens se disent tout c'est l'État, tout c'est l'État. L'État ne peut pas tout faire. Il y a des gens aujourd'hui au Niger qui ont l'argent plus que l'État. On a besoin de ces gens pour qu'ils viennent nous appuyer. Ils n'ont qu'à peut-être faire un tour pour voir la souffrance de la population, de ceux qui souffrent, la souffrance des familles. Mhm. On a besoin de leur apport, mhm. de leur aide, de leur secours. Mhm. Parce que Dieu, il dit, il faut aider autant que tu peux. Donc si tu as, tu magasin, tu magasin. il y en a qui souffrent, qui cherchent à vivre, qui cherchent où survivre, si je peux l'appeler ainsi. Je pense que ceux qui ont les moyens là doivent de temps en temps faire un tour. Souvent, moi je dis, on n'a pas besoin de leur argent. Si aujourd'hui, il y a un LH qui décide d'aider les enfants qui sont malades, mhm. il peut venir vers nous. Qu'est-ce qu'il peut prendre en charge Les enfants qui ont des problèmes pour faire le bilan, mhm. on peut faire tous les bulletins et leur envoyer ils accompagnent l'enfant, eux-mêmes, ils vont tout le bilan. L'essentiel est que l'enfant arrive avec tout le bilan dont on a besoin, mhm. ou l'enfant arrive avec tous les produits dont on a besoin. Mhm. On n'a pas besoin forcément qu'on ait de l'argent dans la main. On a besoin des gens qui sont prêts, mhm. disponibles à aider. Quand on a des malades qui n'ont pas de moyens, on les oriente vers eux. C'est de ces genres de personnes qu'on a besoin. On en a au Niger, mhm. on en a des gens qui ont l'argent. Et on lance un appel vers eux mhm. pour vraiment qu'ils euh, viennent au secours de ces familles. Mhm. C'est difficile. Nadia, est-ce que selon vous, il y a des manquements dans la prise en charge des cas de cancer Je ne dirais pas manquement parce que la prise en charge, elle est effective, si je peux le dire, au niveau du Centre national de lutte contre le cancer. Donc, non, je pense pas. Mais il y a certains moyens qui font défaut, Nadia. <laughs> Bon, ils font la chimiothérapie, normalement. La radiothérapie, elle est disponible. Mhm. ou bien pas <laughs> totalement disponible, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mhm. mais quand même, ils fournissent l'effort de traiter, que ce soit au niveau du diagnostic et de la prise en charge, mhm. de la gratuité également. <laughs> Maman Bachir, vous êtes pompe du est-ce qu'il y a des manquements dans la prise en charge du cancer pédiatrique Vous savez, tout ne peut pas être blanc. Mhm. Même si l'État fait ses efforts, mhm. même si eh, les ONG appuient, on connaît aussi la réalité de nos mhm. pays. Cela, on les appelle les pays en voie de développement. Voilà. Donc, eh, moi, je pense que le docteur, elle est là, connaît la capacité du centre. Et moi, je sais que le centre ne peut pas prendre en charge tous les, les, les, cas, mhm. en tout cas à 100%. Mhm. Et elle vient même de le dire, pour certains examens, mhm. ils, ils, sont en collaboration avec l'hôpital national. Donc ça aussi, c'est une difficulté, parce que normalement, ils devraient disposer de tout ce dont ils ont besoin au niveau du centre, que ce soit dans le cadre des examens complémentaires, le cadre et des diagnostics et autres, et y compris pour la prise en charge. Mhm. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a certains points à améliorer à ce niveau. Et comment, comment donc faut-il améliorer donc euh, la prise en charge Améliorer la prise en charge, ce n'est pas <laughs> seulement l'État qui peut prendre tout en charge. Il y a aussi il y a les ONG qui appuient, donc il y a aussi les autres partenaires. Mhm. Donc tout ce bon monde-là devrait être mis à contribution pour améliorer la capacité du centre dans le cadre de la prise en charge. Mhm. Docteur Aïchet Mahamadou, est-ce que les parents amènent très tôt leurs enfants en consultation Souvent, les, les, parents, ils partent en consultation, pas chez nous. Mhm. Ils partent en consultation dans les centres périphériques. Ils partent très tôt. Mhm. Mais on ne les réfère pas très tôt chez nous. Souvent, c'est après avoir tout essayé qu'on va dire, bon, peut-être que c'est un cancer. Et on les envoie chez nous. En ce moment, quand que nous, on pose les diagnostics, c'est déjà trop tard c'est déjà trop tard. Souvent, comme on dit, on ne fait pas le traitement, la plupart des cas, à but curatif, mhm. mais c'est juste palliatif. Parce que l'enfant, s'il était venu très tôt, il pouvait être guéri. Mhm. Mais malheureusement, les enfants, même quand ils, sont, ils arrivent tôt dans les centres périphériques, la référence s'attarde. Donc, il faudrait peut-être que ça change. Qu'on puisse, quand tu traites une fois ça ne va pas, mhm. pense à l'envoyer à un niveau plus élevé que là où toi tu te trouves. Mhm. Donc, euh, je pense que souvent, ce n'est pas la faute des parents. Hein. Mhm. Donc, euh, si euh, les parents amènent leur leurs enfants en consultation très tôt, les enfants peuvent recouvrir leur santé. Bien sûr. Parce que, par exemple, les cas de leucémie, il y a beaucoup de cas de leucémie qui guérissent. Qui y a des enfants que j'ai vus en Inde des grands qui sont devenus des adultes, qui ont fait la leucémie depuis leur bas Ils sont là, ils font leurs activités, tout est rentré dans l'ordre. Ça veut dire qu'on guérit, mhm. si c'est pris en charge très tôt. Mais le problème, c'est que comme il parlait tout à l'heure, mhm. le plateau technique n'y est pas. Mhm. Parce que actuellement au niveau du centre, on ne prend pas en charge les leucémies. Les leucémies sont pris en charge au niveau du service euh, d'hématologie de l'hôpital national de Niamey. Parce que si aujourd'hui on doit hospitaliser un enfant, mhm. au niveau de la pédiatrie, on n'a que quatre infirmières. Quatre infirmières ne peuvent pas faire un trou de garde. Mhm. Ils ne peuvent pas. Donc, du moment où on ne peut pas les hospitaliser, dès qu'on pense à un diagnostic mhm. et que l'enfant doit être hospitalisé, on collabore avec les médecins du service des matos pour les hospitaliser. Donc, euh, c'est un problème euh, qui est encore là. Et peut-être ça c'est là. Hein, peut-être qu'ils vont faire quelque chose pour qu'il y ait plus euh, d'argent quand même. Voilà, le plateau technique n'y est pas. Voilà, la troisième et dernière partie du forum porte sur les mesures préventives du cancer pédiatrique. Madame Nadia, peut-on éviter le cancer pédiatrique Bon, je dirais qu'on ne peut pas, comme le docteur l'avait mentionné tout à l'heure, vous avez dit que le cancer, il est être héréditaire. Et aussi, je me dis que c'est un cancer qui survient. Mhm. Donc, ça n'a pas de cause exacte. Dans ma tout, euh, peut-on éviter le cancer <laughs> chez les enfants pour éviter quelque chose, il faut connaître la cause. <laughs> du moment où les, causes, la majorité des cancers, les causes ne sont pas connues, donc euh, c'est difficile pour dire qu'on peut prévenir. Mais ce qu'on peut, c'est d'éviter la mort d'un enfant inutilement. Mhm, mhm, parce qu'un cancer qui peut être guéri, s'il est diagnostiqué très tôt, l'enfant peut être mhm. guéri. Je pense que même si aujourd'hui le plateau technique euh, n'y est pas au Niger, mhm. je pense qu'il y a des enfants à qui on a donné l'opportunité d'aller se faire soigner mhm. à l'extérieur. Et aujourd'hui, qui sont là, qui vivent, qui vivent normalement. Donc, euh, je pense que pas prévenir, mais poser les diagnostics très tôt. Est-ce que le dépistage est nécessaire chez l'enfant peut-être le dépistage dans le cas des rétinoblastomes. Mm. Parce que les, rétinoblastomes, on peut faire des campagnes mm-hmm. de dépistage à la recherche de l'écocorie chez les enfants, ce que les que je viens de dire. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est dans ce cadre seulement. Sinon, on ne peut pas se mettre à examiner tous les enfants à la recherche d'une boule, mhm. à la recherche d'une masse. <laughs> On ne peut pas le faire. Mais pour les cas de cancer des yeux, c'est possible. Mhm. Au cas où l'enfant manifeste euh, les symptômes euh, cités à euh, plus haut, comment agir dans l'immédiat C'est de l'amener dans un centre de santé le plus proche. Mhm. Et si les parents tardent à aller dans un centre de santé, quelles sont les complications auxquelles l'enfant peut faire face les complications, c'est comme complications de tout type de maladie. Mhm. Quand on ne soigne pas tôt, la complication la plus grave, c'est la mort. Voilà. Donc, euh, je pense que c'est ce qu'il faut faire quand l'enfant ne va pas bien, l'amener dans un centre le plus proche. Mhm et que le centre qui reçoit l'enfant, mhm. s'il voit que c'est ce qu'il ne peut pas traiter, de le renvoyer à un niveau supérieur le plus tôt. Mhm. Maman Bachir, certains parents préfèrent donner à leur enfants des médicaments de la rue pour euh, traiter par exemple euh, les maux de yeux. À quel danger ils exposent à leurs enfants Pas seulement des médicaments de la rue, ça c'est mhm. la réalité de nos communautés. D'abord, on commence par... Eh, la pharmacie traditionnelle, mhm. les, les, petites moyens de, maison, les mhm. grands-mères, comme mhm. on le dit. Si ça ne marche pas, on cherche les médicaments de la rue comme c'est à côté, c'est à portée de main. Mais moi, ce que je veux dire par rapport à ça, tout médicament là, la, santé là, le corps humain là, il est sacré. Tout médicament là qui n'a pas été prescrit par un spécialiste, moi, je déconseille de prendre ça. Je Je déconseille de prendre ça. Parce que même les produits pharmaceutiques qu'on vend dans la rue, d'abord, la qualité est à désirer. Mhm. On n'est pas sûr que c'est de la bonne qualité. Et en plus de ça, chaque produit pharmaceutique a ses avantages et ses inconvénients. Il a mhm. ses effets secondaires. Donc, tant que ce n'est pas un spécialiste qui prescrit ça, mhm. la personne qui te vend ça ne peut pas te dire Ah, tel produit là, ça peut causer telle chose, telle chose pour tel genre de personnes ou pour tel genre et de maladies. Donc, euh, au lieu de traiter parfois le médicament peut être toxique. Donc, euh, moi, le conseil que je vais donner, les, les médicaments de la rue, c'est d'éviter au maximum mhm. cela. Mhm. Donc, moi, je dirais personnellement, si vous voyez des parents mhm. recourir aux médicaments de la rue, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des produits. Tu te dis que si tu pars dans un centre de santé, on va te faire une ordonnance. Est-ce que mhm. tu as les capacités d'acheter ces ordonnances Et aussi, il y a certains vendeurs mhm. ambulants qui profitent de la naïveté de certains parents pour mhm. leur vendre des produits. Par exemple, ici, si on prend dans un cas général, si vous avez des mots de vente, que d'aller en pharmacie acheter que ça soit Smecta, Flagile ou quoi que ce soit. Mhm. Chez le vendeur d'à côté, il va te vendre une plaquette à 100 francs. Mhm. Donc tu te dis que la finalité, c'est la guérison. Mhm. Donc autant prendre <laughs> et continuer mon, mon chemin. Donc c'est surtout ça. Et on doit faire une campagne dans ce sens parce qu'il y a certains parents qui ne sont pas au courant de la gravité de la prise des médicaments de la rue. Donc c'est un message que je peux passer Mhm. à mon cher camarade qui est là, mhm. mon Bachir. Donc, si vous pouvez faire des campagnes de sensibilisation, si on peut le dire, oui, dans le cadre de la prise des médicaments de la mhm. rue et également l'implication de l'État. Parce que on qu'on se dit que si l'État intervient dans un domaine bien précis, on, ça aura plus d'impact et plus de, de, valeur. Et aussi, il y a certains parents qui font recours à la médecine euh, traditionnelle. Ça oh. aussi, c'est un danger c'est un grand <laughs> danger. Parce que maintenant, si je vous donne un exemple dans le cas du cancer féminin, mhm. la plupart des patientes, au lieu de venir directement dans un centre de santé, tu pars voir ton un praticien, mhm. il te donne un médicament mhm. que tu vas appliquer. La plupart des cas qu'on dépiste tardivement, c'est parce qu'elles ont fait recours à la, à la médecine traditionnelle. Donc ça complique la situation et elles arrivent à un stade tardif, si je peux le dire. Docteur Aichetou, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire nos deux invités Malheureusement, même de Niamey, mhm. les jeunes le font. Les jeunes le font, ils vont d'abord essayer de traiter ce qu'ils peuvent traiter, ce qu'ils croient traiter, mhm. alors qu'ils ne traitent pas, ils retardent seulement. Mhm. Voilà, donc par rapport à la médecine euh, traditionnelle, traditionnelle ça c'est malheureusement c'est un fait. Ça se fait et ça continue. Je pense que la seule solution pour pouvoir euh, résoudre ça, c'est peut-être la sensibilisation. C'est la sensibilisation que les gens comprennent très tôt et l'effet d'un traitement précoce, mhm. d'un diagnostic d'abord précoce et d'un mhm. traitement précoce et adéquat. Mhm. Qu'est-ce que ça donne Voilà, tant que les, les, gens ne sont pas sensibilisés par rapport à ça, ils vont toujours continuer à faire ce à quoi ils croient. Et je vous donne l'exemple de cas d'un cancer de l'œil, le rétinoblastome, mhm. il y a une fille qu'on avait amenée mhm. chez un tradit praticien. Donc, déjà, c'était à un stade tardif, mhm. c'est déjà sorti ce qu'on appelle exophthalmie. Le tradit praticien leur a fait comprendre qu'ils pouvaient réduire cette masse qui est sortie. Donc, c'est en voulant réduire, réduire, réduire qu'il a même cassé l'œil. Donc, l'œil était sorti avant même qu'elle arrive chez nous. Ça, c'est le tradit praticien. Je pense que lui qui a fait, il ne mm. s'attendait pas à ça. Mm-hmm. Et donc, s'il y a une sensibilisation à ce niveau, mm-hmm. beaucoup de choses vont être faites. Et pour que la sensibilisation se fasse, c'est peut-être les ONG. <laughs> Et je ne sais pas, les ONG. Hmm? <laughs> Voilà, docteur, pour finir, quelles sont vos suggestions en vue d'une meilleure efficacité de lutte contre le cancer en général et celui des enfants en particulier Ma suggestion, c'est d'abord, euh, mhm. il faut qu'il y ait un diagnostic précoce. Mhm. il faut, pour qu'il y ait un diagnostic précoce, il faut une constatation précoce. Mhm. Il faut une référence précoce dans un centre où on peut pouvoir poser les diagnostics. Et quand le diagnostic est posé, qui est les moyens pour pouvoir traiter Améliorer le plateau technique. Comme ça, ça va éviter beaucoup d'évacuations. Il y a des enfants aujourd'hui qui, qui ont besoin d'évacuation mais ça coûte très cher à l'État. Et du fait que même les parents sont arrivés tardivement, le mhm. diagnostic a été posé, même si on évacue l'enfant, mhm. le résultat est nul. Mhm. Donc l'appel que je lance, c'est que vraiment les constatations très tôt et puis la référence précoce. Il ne faut pas que ça tarde il faut que les enfants nous arrivent très tôt. Mhm. Même dans le cas où on ne peut pas les traiter, au niveau du centre, mhm. il y a des possibilités de pouvoir faire mieux ailleurs et sauver des vies. Mhm. Maman Bachir, vos suggestions rapidement je, vais, je, vais, appuyer dans le même sens que le docteur, parce que le cancer, c'est une maladie qu'on peut prendre en charge, qu'on peut même guérir si c'est diagnostiqué très tôt. Mhm. Donc, euh, moi, ce que je vais ajouter par rapport à tout ce qu'elle a dit, mhm. dans le cadre de l'amélioration du plateau technique, donc c'est une mise à niveau des agents de santé jusqu'au niveau périphérique. Mhm. Parce que c'est difficile au niveau périphérique, un agent de santé qui pense directement à un cancer quand il voit euh, un patient. Donc, s'il y a un recyclage, bon, ils ont dit on ne recycle pas une personne, s'il y a une mise à niveau, de ces agents au niveau périphérique. Moi, je pense que ça peut permettre euh, un diagnostic très tôt mhm. à travers des références précoces mhm. vers les centres qui peuvent prendre en charge euh, ces différents euh, cancers. Mhm. Et au niveau des centres aussi, mettre les moyens nécessaires et aussi par rapport aux agents, mettre les agents qu'il faut au niveau des centres. Donc l'agent qu'il faut à la place qu'il faut. Et aussi, ces agents-là, il faut mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour la prise en charge et aussi les moyens de protection. Parce qu'il peut arriver qu'il y a ah, les moyens, ils sont là, surtout chimiothérapie, radiothérapie. Là, s'il n'y a pas les moyens de protection, si l'agent sache qu'il sera exposé, lui aussi ne va pas faire correctement cette prise en charge. Bien sûr. Mhm. Voilà. Nadia Moi, je dirais, au vu de tout ce qui a été dit, mhm. comme monsieur M. Maman Bachir l'a bien mentionné, les agents de santé. Donc, prévoir des formations parce mhm. que la plupart de certains agents de santé ne sont même pas au courant mhm. de la maladie. Qu'est-ce que le cancer mhm. Comment faire le diagnostic Donc, la formation, elle doit être, je, si je peux le dire, instantanée, donc périodiquement. Donc on doit instaurer des formations et aussi lancer un cri de cœur au niveau des bailleurs de, de fonds. Donc s'ils peuvent parrainer des enfants. Donc, on n'a pas besoin de liquidité, d'argent ou quoi que ce soit, comme docteur Aïcha l'a mhm. mentionné. Donc, s'ils peuvent parrainer certains enfants, les aider à guérir. Parce mhm. que le cancer détecté très tôt, ça se guérit. Et au niveau de l'État également, donc l'implication totale mhm. de l'État dans la prise en charge des cancers pédiatriques. Et à votre niveau aussi oui, les ONG, <laughs> nous, notre cri de cœur, c'est l'appui des bailleurs de fonds. Mhm. Parce que la plupart, nous, on nous dit, à chaque fois quand je pars rencontrer un bailleur, mhm. la première question qu'il me pose, il me dit que la plupart des personnes créent des ONG mhm. juste pour pouvoir avoir de l'argent et rentrer dans, et faire autre chose, pas dans le, pas dans ce qui a été dit ou bien ce qui a été mentionné. Donc, je dirais que toutes les ONG ne sont pas les mhm, mêmes. Mhm. Donc, et avec un bon plan d'action et un suivi, donc on peut faire beaucoup de miracles ici au Niger. <laughs> Nous sommes donc euh, au terme du forum euh, sur euh, le cancer chez les enfants, comment se fait la prise en charge. Nous étions en compagnie de Nadia Zuladeni, coordinatrice Cancer Action. Et Dr Aïchatou Mahamadou, oncopédiatre au Centre national de lutte contre le cancer, et Maman Bachir, membre du syndicat unique de la santé et de l'action sociale, SUSAS. Merci donc à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. La présentation est assurée par Fatih Zakari. La réalisation, c'est Isaka et Mustafa Ayouba. Très bonne réception et le programme continue sur le studio Kalongo.